Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Le coronavirus existe. Pour l'instant, rien ne lui résiste. Protégeons-nous, Appelé certainement de l'artiste Fulo La Diva. On l'a reçu sur cette rubrique Covid-19, l'artiste s'exprime pendant la grande pandémie. Aujourd'hui, on reçoit une fois de plus cette grande dame, une diva, une icône, une légende vivante de la musique made in Niger pour parler une fois de plus du Covid-19. Alors l'artiste Philo La Diva va s'exprimer. Philo, je te souhaite la bienvenue sur cette rubrique. Comment tu vas Ça va Je vais très bien, Dandy. Tu es en forme Oui, comme toujours. Écoute bien. Les résultats des examens virologiques du 10 septembre 2020 se présentent comme suit. Aucun cas positif sur 168 tests réalisés à la COVID-19. Aucun décès enregistré. À ce jour, sur 18 593 personnes testées, 1178 sont déclarés positives à la COVID-19, parmi lesquels 9 en cours de traitement, 1100 sorties guéries, 69 décès. Le virus continue toujours à circuler Toujours. Philo la diva, on sait que tu as en tout cas beaucoup euh, apporté euh, ta contribution dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Mhm. Qu'est-ce que tu es en train de faire Dis-moi, comment est-ce que tu continues ce combat bah, Puisque le virus circule hein, toujours. le virus circule toujours, comme tu l'as dit. On vient encore de de, confirmer. Ce qui veut dire qu'il faut toujours respecter les gestes barrières. Bien sûr. Continuer toujours euh, à suivre ce qu'on nous dit bien sûr. afin de nous protéger, protéger aussi nos proches. Bien Parce que que c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour notre propre bien. Donc, euh, je continue toujours la lutte en attirant l'attention de mes frères et sœurs, en sensibilisant autour de moi pour que nous puissions quand même lutter ensemble contre cette pandémie-là. On sait qu'on a baissé la garde aussi. À chaque fois que je reçois un artiste ou une artiste sur cette émission, j'essaie donc de parler de cela. Aujourd'hui, on retrouve toujours euh, la jeunesse ou les jeunes dans les phares et, autour du thé, comme, euh, n'est-ce pas, et mon ami l'avait souligné, l'as parolier récemment sur cette rubrique, alors qu'elle serait est un mot à l'égard, bien évidemment, ou à l'endroit de ces jeunes qui sont autour du thé, qui prennent toujours euh, le thé ensemble et qui continuent toujours aussi, euh, n'est-ce pas, euh, dans les mêmes pratiques. Bon, ah, Parce qu'ils pensent que c'est fini, en fait. Ah ouais, non. <laughs> à ces jeunes qui vont toujours à la fada et tout, je leur dis toujours de respecter les gestes barrières. Mhm. C'est la meilleure des choses. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de vous partager les mêmes verres, mhm. quand ça fait le tour là, que chacun apporte quand il sait qu'il est en train d'aller un fada. Pardon. Prends ton verre et va avec. quand tu finis, tu laves et tu pars avec. C'est pour ta propre sécurité. Voilà. Ah oui. Parce qu'il faut se protéger. Quand toi, tu prends le virus, tu amènes chez toi. Tu mets tout le monde en danger, mon ami. C'est dangereux. Donc, sincèrement, ce n'est pas du jeu. Respectez toujours les gestes barrières chers amis. On se croit invincible. Ok, d'accord. On pense que eh ben, on est aussi immortel. Cette jeunesse, hein, on va donc s'adresser au philo, va euh, donc placer un mot à l'endroit, un mot de fin, l'éternel mot de fin, ce qui concerne le numéro. Philo, je veux un message très fort. Je voudrais que tu regardes la caméra. Je veux que tu fixes ces jeunes. Je voudrais que tu fixes tes fans. Je voudrais que tu t'adresses à tous qui kiffent cette émission un peu partout au Niger. À commencer par la région d'Agadez, Difa, mhm. Dosso, Tawa, Tilaberi, Niamey, Zender, Kolo, Torodi, Sai. Tout le Niger qui kiffe cette rubrique Philo la Diva. Je veux un mot, je veux une expression, je veux euh, en tout cas quelque chose qui vient de tes entrailles. Philo. À l'endroit de toute la jeunesse nigérienne, c'est deux mains qui se lavent et non une seule main. Restons forts, la lutte continue. En ensemble. Restons forts, la lutte continue et nous allons d'une manière ou d'une autre vaincre le coronavirus, la Covid-19. Philo, on ne finira pas cette rubrique sans avoir euh, quelque chose de toi. Tu sais que à chaque fois que quand tu chantes, tu me donnes, moi, la chair de poule. Tu me donnes envie de vivre. Alors, je voudrais en tout cas que tu fasses plaisir à toute cette jeunesse qui kiffe cette émission, tous qui sont fans de Philo Ladouva par cette voix, cette voix sensuelle, cette voix que tu qui tue. T'es Kiki. <laughs> Tuyons sur l'émission. jamais découragé, me cite en Jamais découragé, badangana. la vie est comme un jeu, du pire on peut passer au mieux, donc faut jamais décourager. Ah jamais découragé. Vous avez certainement constaté qu'on on, ne va jamais se décourager. On va continuer, bien évidemment, à se battre parce que les gagnants, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais tombés. Hein, même si le virus ou la, Covid a secoué le monde, on tombe, on se relève comme un enfant qui apprend à marcher jusqu'à la destination. Donc les gagnants, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais tombés, mais c'est ceux qui ont su se relever après la chute. Alors on tombe, on se relève jusqu'à destination. Wakanda Forever.